li gis tey nag c'est wax ci lan responsabilité état il faut ñu wax ci lan responsabilité mairie parce que c'est une responsabilité partagée assainissement nous entendons un maire qui dit c'est la responsabilité de l'État c'est faux c'est une responsabilité partagée entre l'État et les collectivités locales c'est ça ce que le code des collectivités locales dit que nous gis maintenant, c'est des canaux les canaux à ciel ouvert nous ñu gis fii mbalit mi nekk ci ba ci kaw lolu responsabilité mairie la du responsabilité état faut qu'on comprenne ça Nous nañu def nañu 200 millions pour curage des canaux à Ziguinchor man de jaar je me demande est-ce que c'est des canaux même canal bo xamné ne mbalit mi dafa nekk ba ci kaw les les entraves canal bi où est-ce qu'ils ont mis l'argent donc la population il faut nous sachions que c'est la responsabilité de la mairie ce n'est pas la responsabilité de l'État yu aussi bien l'État que la mairie ils ont failli deuxième responsabilité mairie bi y gis problème d'inondation, il faut qu'on refuse qu'on veut nous faire croire que problème inondation bi problème de forte pluviométrie déedéet Fi musul am problème Dans Dans na taw taw les années 80 on était là il pleuvait beaucoup plus que ça et l'eau passait parce que yalla gis nga yalla du une chose et son contraire vous créer une zone à forte pluviométrie day def texture sol bi day nangu ndox Yalla dafa am yërmande nak ñaa mënu jot fi wàccee taw bu taw ba def un sol c'est pas truc donc la vérité c'est que ce qu'on, ce qu'on appelle la mal urbanisation les lotissements anarchiques des maires ba nga xam ne ci voies d'eau yi sax dañuy dem di fa tabax loolooy andi ndox mi fi newoon un dootu fa mën jaar c'est ça qui amène ces problèmes que nous vivons là mais c'est pas une question de pluviométrie